ko si la presse sénégalaise mu melni ni euh, tey euh, mom président de la république euh, dal dina comprendre bu baax a baax à askan wi nga xamanteni tabu nako tek ko si boppu réew mi. waaw kontaan si question bi amat lu ñu mën a que mën nga japp ñaar benn bi c'est sur la forme benen bi c'est sur le fond lo mm-hmm. xamanteni wax nako mm-hmm. d'abord la première chose bu ñu mën remarquer moy que président de la république première sortie démocratique sénégalais si eh, presse nationale loko jox lolou da fay won lu bari c'est mhm. vrai qu'il y a quelques problèmes mhm. peut-être taille avec presse bi wax bi bari na mais sa première sortie médiatique presse nationale daawoon nañ fi tok nag di gis que yena sortie médiatique bala presse nationale ñun ñu ñu bénéficié bénéficier international yi ñoo ko si mm. jot si ay message yu am solo ñom lañ ko doon jokk jox mm. balaa ñu koy jox sénégalais yi c'est déjà la apprécier mm. la deuxième chose bo xamante moy moi véhicule message bi c'est wolof la ko def si wolof la ko def affaire au sénégalais bir sénégalais ñun ñoko mom ñu wax ko taxam ko si ay wolof ak ay journalistes yoo xamante yu

togg mm-hmm. mais gis nañ loolu mm-hmm. donc mu doon si biir forme bi si biir fond bi nag mm-hmm. euh, jéem na touché na lépp xëy na am na si loo xamante ne wax na si wax yu nu mun a jàpp bu baax a baax am na si yeneen mu xaw a glissé as tout tartise mm-hmm. mm-hmm. mais lolu tam da fay arriver parce que si mm-hmm. langue politique la nek et il est là depuis trois mois il est évident que Basirou Diomaye Faye bu ngay am dans un an don. Basirou Bassirou Diomaye Faye pour tok wax tey wax ak journaliste yi trois mois après donc euh, il apprend vite Moi, c'est le constat que j'ai fait et eh bien

si si une Ada, si un culture donc mon nañ sentir une rupture bi nga rupture, ni ñu euh, euh, ça c'est maintenant une réalité oui moi je suis content, de dire sénégalais ñun président bon disons moi je dirais Bassirou Diomaye parce que nous <laughs> sommes euh, donc parfois président parfois Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. mais bu France solo France euh, mm-hmm. Défendre président africain mm-hmm. euh, yu bëri defuñu ko costume africain

solo nous, noonu sunu euh artisanat mm-hmm. donc il y a quelque chose qui montre nous euh, bëgg ko ñu mm-hmm. mais amna lo loo ci walu si wàllu culture gis ça veut dire que maintenant euh, ce n'est pas aussi facile euh, financièrement socialement et ainsi de suite mm-hmm. mais beaucoup, mën nañ ne ci bir a pourquoi mu xawa difficile mais si walu changement le defena si pêche bi ak on sent naturellement, sur la question de la fiscalité, mm. on sent aussi que quand même il y a des changements, il y a des euh, ruptures, rupture, mm. mais amorce au moins, nous reconnaître qu'il y a des amorces de rupture. Oui, amorce, c'est-à-dire, une rupture, le temps que nous sommes si opposition, bi amna taxaway amna fogo bi nga xamanteni ñu ko daan dawal sa su que tay ji bu ñu ñëwé euh, certes bilan tel na bilan tel na parce que ki nga xamanteni warna am 5 ans bo naré conclure def ben bilan si trois mois rek c'est juste c'est pas faisable donc euh, tey dit euh, par rapport li nga xamanteni ni yow jàngat nga ko euh, si sortie bu mu def face à la presse nak nga gissé li nga xamanteni ni moom la daal di teg na li nga soxal emploi des jeunes peut-être beaucoup na si li nga xamanteni ni un peu sensible amna lo xamanteni meun ni mën nañ ko ndaxte yow gis nañ li nga xamanteni ni yag nañ ko def chaque fois bu ñu amé ay sortie ak li ni mel c'est la jeunesse qui lèvent pour les accompagner est-ce que tu as dit, que nous avons négocié avec ko euh, négocier moi je pense assez souvent que le Sénégal peut-être damay et c'est sans prétention aucune. Mm-hmm. mais je pense qu'on pose mal les problèmes au Sénégal. 75% mm-hmm. 75% de la population sénégalaise a moins de 35 ans. Mm-hmm mais si capital humain bobu lan mo fa nek lan lan fa tek en terme d'éducation lan lan fa tek en terme de formation lan lan fa tek lo xamanteni nit ki à trente cinq ans amna lo xamanteni meunal nako bopam xamal nako bopam boppam mun si njëriñu bu dul yi parce que trente cinq ans nga day difficile nga njëriñu ko ci say tank ci say loxo lan lan fa def je pense que tay balaa ñu wax emploi jeune dañuy xol ban qualité la ñu am et je pense que de dañu dañu dañu seuf xam nga boo nekkee opposition di nga wax lu ngay wax mais bo ñëwé au pouvoir tu découvres la réalité de ton pouvoir mhm. première réalité bu ngay découvrir moy que tu es un pays moins avancé Manam bo bëggé retourner mhm. vers l'international vers les bailleurs de fonds vers mhm. tes partenaires au développement bo leen bëggé la yenn pour ay prêt dañ lay tënk si lo xamantene mo lay renvoyer à ton statut international moy pays moins avancé un pays moins avancé a des tuteurs Manam bo bëgg dem di laaj xaalis ak yu demee nonu dafa am ñu xam dañuy ne yow tu n'es pas solvable mm-hmm. il faut qu'on il faut qu'on accepte de revenir à nos statuts et maintenant de changer totalement notre mentalité de mm-hmm. defe naa ñoom ci li ñu indi mm-hmm. indi nañ loo xamante ne changer mentalité Wanté nag bëgg xaar lépp si wax emploi jeune bëgg xaar ce serait lourdement se tromper on n'analyse pas nos chiffres les trois premiers mois yoo xamante ne fait du nom de, 2024, des trois premiers mois, je veux dire de janvier à mars 2024, on n'analyse pas les chiffres. Mhm. C'est 853 milliards de francs CFA mobilisés en termes de recettes intérieures. 853 mhm. mhm. milliards de recettes mobilisées en termes de dépenses c'est 1354 milliards en termes de dépenses donc il y a entre 853 milliards que tu as euh, que tu as reçu en termes intérieurs, euh, euh, la dette et tout ça, tu as dépensé 1300 et quelques milliards sur le même nombre de, mois. Regarde quelle est ton, déjà la différence qu'il y a. Sur ce que tu as reçu, madame, 853 milliards, tu as 44% de